Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, une nouvelle maladie est parmi nous, un mal aussi risqué que dangereux, le Covid-19. L'artiste s'exprime. Hatara, le Covid-19. goy de Covid. -19. Engagement des artistes et des hommes de culture dans la lutte contre la Covid-19, c'est notre rubrique sur tous à la FADA. Et nous parlons des actions des hommes, des femmes de la culture ici au Niger. On parle de leur contribution euh, pour combattre la pandémie liée au coronavirus. Après avoir accueilli plusieurs stars du monde artistique sur notre émission, nous avons l'honneur aujourd'hui d'être avec une superstar eh oui, une star, mais aussi un faiseur de stars. Il est artiste, comédien, danseur, metteur en scène, dramaturge, directeur artistique, journaliste, présentateur et animateur. Je n'ai rien oublié, j'espère. Que je pense, non, c'est même trop pour moi. Est-ce qu'une seule tête peut porter tout ça <laughs> Nous recevons donc euh, une sommité de la culture nigérienne sur nos antennes. Président de la Fédération nationale des associations artistiques et culturelles, FNAC, FNAAC. Il s'agit de Rachid Raman alias Balthazar. Nous avons donc sur l'émission Tous à la Fada, Ladies and Gentlemen, connectés un peu partout au Niger le Balthazar. Bonjour président, comment vous allez Ça va Dondi, et toi Ouais, je vais bien. Et le monde artistique se porte à merveille Le monde artistique euh, se porte euh, comme il doit se porter pour sortir d'une période de confinement. Waouh On va justement parler de cette période donc euh, euh, de déconfinement. Mm. Avec l'avènement, on sait déjà de la Covid-19, beaucoup d'artistes se sont mobilisés pour combattre la pandémie. En tant que président de la structure fêtière des artistes, comment analysez-vous l'apport des artistes dans cette lutte puisque le virus continue toujours à circuler L'apport des artistes euh, dans ce fléau est inestimable est difficile à quantifier parce que généralement quand d'aucuns parlent de l'apport des différents secteurs dans la lutte ou dans la sensibilisation sur le fléau, on met les hommes de santé en première ligne. Mais moi je crois que euh, avant que les hommes de santé ne prennent eh, eh, la chose en première ligne, les artistes étaient déjà à l'avant-garde, les artistes étaient déjà au premier plan du mouvement. Et il n'est un secret pour personne que euh, les uns et les autres l'ont vu. Et si les artistes n'avaient pas apporté quelque chose au plan mondial, je hein, je veux dire pas au plan nigérien seulement, mhm. à quoi aurait ressemblé cette période de confinement où les gens ne pouvaient pas aller à leurs activités habituelles, mhm. ils ne pouvaient pas sortir et se retrouver dans des lieux de rencontre que sont les églises et les mosquées. Mhm. Ils ne pouvaient pas euh, euh, donner des spectacles, les endroits où les gens se relaxaient après euh, la fatigue et des semaines de stress. Mhm. Bref, les artistes, eux, avaient trouvé déjà la voie à suivre pour, n'est-ce pas, rechauffer le cœur de ces gens-là qui sont confinés. Tout en leur disant aussi de faire très attention. Très hein, attention. En passant par donc euh, euh, la, sensibilisation, tout ce, que vous voulez. Et, ça, c'est inestimable. Si tu peux aller à la boutique acheter euh, des produits avec de l'argent, mhm. mais le déstressement, si je peux l'appeler comme ça, le, euh, euh, l'ambiancement, si je peux l'appeler comme ça, tu mhm. peux l'avoir où si ce n'est par l'entremise des. Nulle part ailleurs. Alors on voudrait avoir, sur le faux, tonton Rachid, votre mot par rapport donc à la situation laissée euh, par la Covid-19 à l'heure actuelle. Prévention et vigilance, toujours, où on passe à autre chose. On oublie tout, on passe à autre chose Non, on ne peut pas oublier, Dondi. Quand on dit qu'un fléau est mondial, mhm. et c'est ça. Dans la tradition africaine, on dit que quand la case de ton voisin brûle, et approche l'eau mhm. pour te prémunir. Ici, il ne s'agit pas de, de, la case du voisin seulement, il s'agit d'un fléau planétaire. Nous ne pouvons pas nous soustraire au mouvement mondial. Qu'est-ce à dire C'est-à-dire, on le chante, on le décrit, on aura de cesse à le faire Mieux vaut prévenir que guérir. Moustapha Yuba pour la réalisation, pour le son. Nous vous demandons de rester en compagnie du programme du studio Kalambra. Dans un instant, l'émission Tout ça la Fada, la suite. Machine and Baltazar Talkit. Hey.